Nous sommes jeudi 23 mars 2023, chers auditeurs et auditrices du studio Kalangu. Bonjour et bienvenue dans votre émission Le Niger sur Kalangu. Bon début de Ramadan à toute la communauté musulmane. Au micro, c'est Ali Moukela Ouseni, alias Seno, et à mes côtés, Fanta Chamsou pour la présentation. À la technique, nous avons Amina Hassan et à l'édition Adama Dawaki. Fanta, bonjour, comment vas-tu Je vais bien, Seno, et toi Ça va, Dieu merci. Super, alors t'as quoi pour nous ce matin Aujourd'hui, Fanta, dans cette émission, nous allons offrir à nos auditeurs un programme bien garni, composé d'un flash d'informations, un reportage régional, du loti avec les femmes du studio Kalangu, de la culture linguistique et du sport avec notre chroniqueur sportif Guruza Hasumi Karimou. Et spécialement pour ce mois béni de Ramadan, nous avons prévu pour vous, chers auditeurs, trois nouvelles rubriques. Il s'agit euh, d'une rubrique spécialement dédiée aux recettes culinaires, de la rubrique rose avec les filles de l'équipe du studio Kalangu et des conseils nutritionnistes. Et comme chaque jeudi, il y aura de l'éducation numérique. Ce matin, ça sera avec Farid Bourema. Alors, comme invité Fanta, nous recevons Ousmane Mamoudou. Il est le responsable de l'équipe numérique du studio Kalangu. Avec lui, nous allons parler de cookies en informatique. Chers auditeurs, comme vous le savez, c'est avec le flash d'information que nous ouvrons cette émission. Ce matin, il nous est proposé par Mokhtar Hamadou. Bonjour Mokhtar. Bonjour Fanta Chamsou. Bonjour euh, Ali Ousseini euh, Munkeila. Nous allons débuter euh, ce flash d'information avec le chef d'état-major des armées du Niger, le général de division Salif Modi, qui a effectué du 19 au 20 mars une visite de terrain dans la zone nord de Tiloua, dans la région de Tawa, rapporte l'agence nigérienne de presse ANP. Selon cette source, ce déplacement s'inscrit dans la dynamique des visites sur le terrain des unités des forces armées nigériennes engagés dans les opérations sur l'ensemble du territoire national. Le général Salif Moudi a au cours de cette visite demandé aux troupes de préserver leur capacité matérielle et de maintenir leur professionnalisme durant la conduite de leurs opérations. Ensuite, la ministre de l'Industrie et de l'Entrepreneuriat des Jeunes, Salamatou Gourouzamagaji, a effectué Mardi 21 mars, une visite de terrain à la cimenterie de Malbaza dans la région de Tawa. Il s'agit pour euh, la ministre de s'enquérir des conditions de travail des agents ainsi que le bon fonctionnement de la société. La ministre s'est dite impressionnée du fait que la société qui est d'abord à 100% nigérienne est gérée par des Nigériens hormis quelques rares expatriés. La cimenterie de Malbaza emploie 800 agents et a créé des milliers d'emplois directs et indirects. Elle contribue de ce fait à l'amélioration des conditions de vie de la population du département de Malbaza en investissant dans les services sociaux de base. La direction de la police judiciaire a présenté à la presse hier mercredi 22 mars trois réseaux de malfaiteurs démantelés dans la ville de Niamey. La première bande est composée de deux individus spécialisés dans le vol en réunion à main armée au niveau des agences de transfert d'argent à travers la ville de Niamey. La deuxième bande, quant à elle, est composée de cinq individus, dont deux jeunes filles. ils opèrent la nuit sur la voie publique et généralement sous les échangeurs. En ce qui concerne la troisième bande, ils sont aussi spécialisés dans le vol en réunion à main armée avec usage d'une moto. Elle est composée de deux individus. Ils circulent à deux sur une moto dans les quartiers périphériques à la recherche de leurs victimes, généralement les femmes isolées, victimes d'agression en cas de résistance et de donner leur sac à main, téléphone ou moto. C'est tout pour ce flash d'informations de ce jeudi 23 mars. Passez d'agréables moments en compagnie de nos collègues. Merci infiniment Mokhtar pour euh, toutes ces informations. Chers auditeurs, comme invité ce matin, nous recevons Ousmane Mamoudou. Il est le responsable de la division numérique du studio Kalangou. Bonjour Ousmane. Bonjour Seno. Alors Ousmane, avec vous ce matin, nous allons parler des cookies en informatique. Oui, mais avant, Fanta, nous allons d'abord écouter le nutritionniste Abdourazak Bello. Il nous donne euh, des conseils sur la rupture du jeûne. Il est au micro de Fatih Malam Yaro. Lorsque je vais rompre, il faut que je respecte le principe suivant. Le principe, c'est d'aller de l'aliment le plus léger à l'aliment le plus lourd. Donc, ce qui fait qu'à la rupture, consommer des aliments notamment comment la date, parce que tout simplement la date, c'est un aliment qui est léger. En plus, de la date renferme des éléments nutritifs qui sont importants pour le jeûneur, parce que la date est riche en vitamines, est riche en potassium, est riche en fibres alimentaires. Maintenant, après cette date, on peut consommer euh, des aliments euh, comme l'eau, les boissons de façon générale. Alors, comment consommer l'eau et les autres boissons Les boissons, il faudrait simplement avoir à l'esprit que la boisson qui est prioritaire, c'est l'eau. Et l'eau, elle doit être consommée euh, vraiment en évitant de cette habitude que nous avons de vouloir consommer de grandes quantités en très peu de temps. Donc au moment de la rupture et tout au long de de l'après-rupture, il faut plutôt consommer de petites quantités plusieurs fois que de grandes quantités une seule fois. Également au, moment de la rupture, on a la possibilité de consommer des, des boissons, des boissons sucrées et ces boissons sucrées, il faudrait également éviter d'être dans l'exagération. Donc, et parce que tout simplement, les boissons sucrées peuvent avoir euh, d'autres conséquences et c'est maximum 2 à 3 verres de boisson plutôt que 2 à 3 litres. Quel aliment faudrait-il manger pour faciliter la digestion Il est important également pour le jeûneur au moment de la rupture d'avoir des, des, fruits et des légumes. Essentiellement parce que les fruits et légumes contiennent des éléments nutritifs qui sont bénéfiques pour le jeûneur. Le premier élément, c'est notamment les fibres alimentaires qui sont indispensables pour améliorer la digestion. Et on sait que pendant le mois de Ramadan, il y a beaucoup qui souffrent de, troubles digestifs comme la constipation. le fruit et légumes, c'est également important parce que les fruits et légumes contiennent des vitamines antioxydantes comme la vitamine A et la vitamine C. Et ces vitamines-là sont particulièrement importantes en cette période de jeûne, surtout période de jeûne en période de forte chaleur parce que euh, la vitamine A et la vitamine C ont des propriétés qui permettent de mieux supporter certains, euh, certains problèmes associés à la chaleur. Maintenant, euh, lorsqu'on a consommé son, sa date, on a consommé de, les boissons, on a consommé des fruits et légumes, on peut également consommer des viandes. Mais la consommation de la viande, elle ne doit pas se faire avec excès parce que euh, l'autre habitude pas bonne que nous avons, c'est de consommer de grandes quantités, notamment de viande. Donc la viande, elle est importante parce qu'elle va apporter des protéines, que ce soit la viande, les poissons ou autres aliments similaires, sont des aliments qui sont à conseiller pour le jeûneur. C'était le nutritionniste Razak Bello au micro de Fatih Malam Yarou. Chers auditeurs, il est à présent temps pour nous de nous entretenir avec notre invité du jour, Ousmane Mamoudou. Ousmane, comment tu vas ça va, je vais bien, Fanta. Alors, Ousmane, euh, je rappelle que vous êtes euh, le responsable de l'équipe numérique. Euh, dites-nous, c'est quoi les cookies Alors oui, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va parler des cookies. Alors les cookies, euh, pour faire euh, simple, euh, si je fais une petite comparaison, ça veut simplement dire gâteau ou petit biscuit en anglais. Mais nous, comme on va parler informatique, les cookies, en fait, c'est ce qu'on appelle un témoin de connexion en français. Donc, ça veut dire que ce sont des petits fichiers qui vont venir enregistrer toutes, vos, toutes les informations de connexion quand vous naviguez sur Internet, par exemple, quand je pars euh, sur le site de Studio Kalangu et que je cherche, par exemple, un forum euh, sur euh, l'ensablement du fleuve Niger, etc. Donc, lui, le, cookie, son rôle ici, ça va être d'enregistrer ma dynamique de navigation. Qu'est-ce que je suis venu consulter sur Studio Kalangu hmm. J'ai cliqué sur quel lien avant de quitter le site. Et le cookie, c'est ces fichiers aussi qui aident, par exemple, chaque fois quand vous partez sur un site, vous n'avez plus besoin de renseigner à nouveau vos identifiants et vos mots de passe. Mhm. Ça vous dit de les remplir de façon automatique. Mhm. Donc en fait, ce n'est pas dangereux. Bon, on va voir plus tard quand même qu'il y a des dérives. Mhm. Donc, mais pour le moment, on va retenir que le cookie, c'est vraiment euh, juste un fichier qui va enregistrer nos informations de navigation. Et aujourd'hui, il est symbolisé par la petite bannière là qu'on voit en bas. Très souvent aujourd'hui, quand vous partez sur un site, il va vous demander, vous aurez une phrase du genre qui vous dit est-ce que vous autorisez, par exemple, ce site à, enregistrer des cookies vous cliquez sur oui ou sur non. Mhm. Mais bon, mais même ça, on va voir que c'est assez bancal parce que mhm. les entreprises en général, elles n'ont pas intérêt, en tout cas beaucoup, mhm. elles n'ont pas intérêt que vous cliquez sur non. Et donc souvent, euh, rien que la petite bannière là, elle est suffisamment mal faite pour euh, vous, vous, conduire beaucoup plus à cliquer sur oui. Parce que si vous dites non, ils vont vous reconduire sur une nouvelle page, ils vont mhm. vous reposer des questions, etc. etc. Donc on va voir qu'il y a des dérives, mais les qui c'est quand même euh, des fichiers assez utiles. Hein. c'est pas qu'ils sont ils ne sont pas du tout totalement. Et justement, ils servent exactement à quoi Voilà, c'est ce que je disais. Donc, ça sert vraiment euh, à, renseigner, à enregistrer vos données de navigation. Par exemple, s'il n'y avait pas de cookies, chaque fois que je viens sur le site de Studio Kalangu, il voit l'ordinateur, le, le, le serveur qui gère le site sera obligé de recharger encore toutes les images, toutes les vidéos. Mais le cookie évite de faire cette euh, euh, cette, ce retéléchargement d'informations. Quand je viens sur une page, déjà les images, elles sont là. Donc le navigateur, il sait que j'ai passé par ici, j'ai passé par là. Et donc ça aide en fait à fluidifier. En tout cas, pour les cookies qui sont utiles, on va voir qu'il y en a plusieurs types, à fluidifier l'expérience de navigation. Mais euh, euh, aujourd'hui, beaucoup de navigateurs, en tout cas modernes, proposent des options pour désactiver euh, les cookies tierces. On va voir que ça, c'est aussi une autre catégorie de cookies. Parce qu'en fait, il y en a plusieurs types. Oui, oui. Hmm. Donc, il y a des cookies qui vont servir de pistage et les cookies qu'on appelle les cookies tierces. Donc, eux, les cookies tierces, c'est les cookies cette fois-ci qui vont faire euh, un lien entre tous les différents sites que vous consultez hmm. pour des logiques de publicité. Par exemple, si je pars sur Studio Kalangu, après je quitte, je pars sur un autre site d'une autre entreprise. Donc, eux, ces cookies-là, ils font faire le lien entre les différents sites que j'ai consultés pour arriver quelque part à faire une sorte euh, d'image de moi sur le web. Donc ça sera beaucoup plus facile pour eux de me cibler, pour m'envoyer de la publicité. C'est pour ça souvent, vous voyez que euh, quand je suis sur Facebook ou sur un autre site, on me propose des choses. Mais ben, tout ça, en fait, ce sont les cookies qui enregistrent ça. Donc euh, on arrive à prédire euh, ce que la personne aime, ce mhm. qu'elle n'aime pas, donc, et on vous propose du contenu en conséquence. Ça peut être des contenus, ça peut être des articles, ça peut être de la marchandise, etc., etc. Ce n'est pas de la magie en fait. <laughs> <laughs> Personnellement, moi, j'avais, j'avais peur quand je vois, on me demande euh, si j'accepte ou, pas. <laughs> oui, bon. Mais à, travers euh, son intervention, j'ai compris qu'en tout cas, c'est, bon, et ça, euh, on, a, on a commencé à demander aux gens d'accepter ou pas parce que vous vous rappelez qu'il y a eu un scandale aux États-Unis, euh, il y a eu un scandale autour de Facebook avec mhm. euh, le problème qu'il y a eu avec Cambridge mhm. Analytica. Donc une boîte qui a été accusée d'avoir volé des infos, bon, pas volé, mais transmis des informations utilisateurs euh, à Donald Trump notamment, qui a eu après de, l'influence euh, sur le vote américain, sur la politique. Donc après, en Europe, eux, ils ont réglementé. Il, existe des lois. Donc, et c'est là que le RGPD est venu. Donc le RGPD, c'est le règlement général sur la protection des données. Donc ça, ça a été mis dans l'Union européenne en 2016. Et donc, ça fait partie des contraintes aujourd'hui des entreprises, en tout cas, qui sont sur le web en Europe. Ils sont obligés de présenter cette bannière-là pour demander l'avis des utilisateurs. Bien. Ousmane, euh, avant de continuer, nous allons d'abord euh, euh, vous laisser souffler. Vous restez avec nous pour suivre la rubrique rose de cette édition. OK. tout le monde, bienvenue dans ce numéro de votre rubrique Rose jusqu'au bout des ongles, une rubrique qui a été pensée et créée par le studio Kalangu, une plateforme d'information et d'échange autour de toutes les thématiques qui intéressent la jeune fille nigérienne, des sujets santé et bien-être à l'éducation, aux sujets plus fun sur la musique, la cuisine, la mode et la culture. Nos jeunes mélomanes seront également servis sur cette rubrique. Du sport et bien sûr de l'actualité web bien croustillante seront traités et partagés par nos chroniqueuses. Amis jeunes, ravis de vous retrouver retrouver encore dans cet espace rose du studio Kalangu. On se parfume bien dans notre espace beauté avec moi, Bibi. Et on mange bien avec moi, Fanta. En cuisine, on découvrira plein de façons de profiter du gingembre. Dans l'espace beauté, on se parfume bien, au bon endroit et de la bonne manière. À vos parfums, prêt partez. Conseil numéro 1. Connaissez votre parfum. Avant que l'on vous dévoile nos conseils pour faire tenir votre parfum jusqu'au bout de la nuit, vous devez vous assurer de connaître la concentration de votre parfum afin de savoir quelle quantité en mettre. D'une eau de toilette à une eau de parfum, la quantité à vaporiser sera en effet complètement différente. Une eau de toilette est bien moins concentrée qu'une eau de parfum donc sa tenue risque d'être moins longue. Plus légère, vous pourrez aussi être plus généreux sur les quantités quitte à vous reparfumer au cours de la journée. Pour une eau de parfum, trois pulvérisations suffisent en général pour tenir toute la journée, sauf s'il s'agit de parfums très frais, genre agrumes, qui sont en général plus volatiles. Enfin, concernant les extraits de parfums, allez-y avec parcimonie. Ils sont tellement concentrés qu'une seule goutte peut suffire et peut parfois donner lieu à une fragrance faux pas. Passons à présent à notre conseil numéro 2. Ayez la main légère, mais vraiment légère vous l'aurez compris, il est inutile de mettre des tonnes et des tonnes. Vous allez juste réussir à faire éternuer votre voisin dans le taxi sans aucune garantie que votre parfum tienne jusqu'au soir. Le parfum, c'est un petit luxe en bouteille. Alors si on peut éviter d'en gaspiller, tant mieux. Pour obtenir un maximum de magie avec un minimum de parfum, il suffit de vaporiser votre fragrance à environ 10 à 20 cm de votre peau. Et surtout, bon endroit. Demain, dans la rubrique rose, on verra quels sont les endroits sur le corps à privilégier pour vraiment euh, profiter de notre parfum euh, jusqu'au soir. Ah, Coucou les amis, bienvenue dans l'espace cuisine. Aujourd'hui, nous allons découvrir quelques usages que l'on peut faire du gingembre en cuisine. S'il est connu dans de nombreux pays pour ses effets aphrodisiaques et aussi en médecine traditionnelle pour soulager différents maux comme les rhumatismes, la fatigue, les nausées, le rhume, les maux de tête et surtout les problèmes digestifs, le gingembre est aussi un excellent allié en cuisine. Il peut être utilisé dans les sauces, dans les thés et tisanes, mais aussi il rehausse le goût de plusieurs types dans les sauces, dans une sauce tomate ou sauce rouge comme on le dit par ici, le gingembre apporte un goût esquis et raffiné sans trop pimenter la sauce. Moudre un petit morceau de gingembre ou beaucoup selon la quantité de la sauce et l'ajouter pendant la friture des ingrédients au début ou carrément à la fin avant d'éteindre le fait de cuisson. Mais l'idéal selon mon expérience personnelle serait de frire l'ail et le gingembre dans l'huile de cuisson avant d'ajouter tout ingrédient et de procéder à la préparation normale. Cela va permettre à l'odeur et au goût du gingembre de se coller à toute la préparation. Dans les thés et tisanes, vous pouvez par exemple moudre ou hacher grossièrement du gingembre et l'ajouter à votre thé déjà préparé ou encore préparer une tisane à base de gingembre spécialement. Pour cela, faites bouillir un peu de gingembre, filtrez si vous voulez, et ajoutez un peu de jus de citron, de la cardamome et du miel. Ceci est très bien pour la gorge et les petits rhumes. Et pour terminer, je partage avec vous cette recette assez populaire par ici, le jus de gingembre que vous connaissez sûrement sous le nom de lemhari. Pour cela, il vous faut du gingembre, une belle quantité selon vos besoins, de l'ananas, la peau y compris, du citron, de la menthe bien fraîche et de l'essence de vanille. C'est facultatif. Commencez par bouillir la peau de l'ananas et laissez refroidir. Filtrez et ajoutez le gingembre, l'ananas, et la menthe préalablement mixée. Bien mélanger le tout puis filtrer. Pour terminer, ajoutez un peu d'essence de vanille et du sucre bien évidemment selon votre goût. Bonne dégustation. Merci Fanta pour euh, ton astuce euh, épicée et parfumée. Voilà. <laughs> C'est tout pour aujourd'hui amis jeunes. On se dit à demain pour encore plus d'astuces parfumées et épicées. Voilà, chers auditeurs, je laisse ma cuisine pour retrouver Seno et Ousmane pour la suite de l'émission. Alors, Ousmane, tout à l'heure, vous avez évoqué quelques avantages des cookies. Maintenant, moi, c'est que je veux savoir quelles sont les dérives. Alors, oui, tout à l'heure, on avait vu donc les avantages, c'est que les cookies, ça permet en fait euh, de fluidifier l'expérience de navigation, mais c'est des petits fichiers aussi qui ont quelques contraintes. Et euh, notamment, par exemple, on les accuse souvent de pas tellement fluidifier en fait l'expérience de navigation parce que quand vous avez un site qui vous propose 300 cookies différents, ça a tendance plutôt à ralentir l'expérience euh, utilisateur la vitesse. Voilà, la, vitesse à laquelle vous allez, vos pages vont charger, vos fichiers vont s'ouvrir euh, sur un site web donné. Et après ça, on, on, dit aussi qu'ils ne sont pas très bons souvent euh, pour euh, identifier exactement une personne. Hmm. Donc, il peut y avoir des cas où les données qui sont utilisées, en tout cas les cookies que le navigateur va prendre en charge, ne sont pas mes données dans le cas, par exemple, où nous sommes plusieurs personnes à utiliser une seule machine, il peut y avoir de la confusion. Mhm. Donc, c'est un boulot qu'ils ne font pas exactement, même si sont euh, en train de, de, de, de s'améliorer. Et autre chose aussi qui est assez fondamentale, je pense, c'est que c'est des petits fichiers qui ont des problèmes euh, au niveau de l'atteinte à la vie priver des gens. Parce que, mine de rien, c'est quand même des informations assez précises qui sont collectées sur les, sur les utilisateurs de ces ordinateurs, de ces navigateurs, et ça constitue ce qu'on appelle l'empreinte numérique. Comme une empreinte digitale, en fait, c'est très très puissant et ça peut aider vraiment euh, à vous identifier clairement parce que les cookies, en fait, ils sont stockés sur l'ordinateur de façon claire. Ils ne sont pas chiffrés. Tout le monde peut les lire. Et c'est pour ça qu'il y a des vols aussi, des fois, de, de données euh, via ces cookies. Quelqu'un qui arrive à voler vos cookies, en fait, il vous vole tout. Donc, dedans, il y aura vos identifiants de connexion pour tous les sites que vous avez partagés. Donc, ça a vraiment une grosse conséquence sur la vie privée. Et donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Très souvent, quand vous consultez un site, de ne pas vous connecter à un site qui n'a pas le HTTPS, mhm. qui n'a pas le S là. Parce que souvent sur WhatsApp, on nous envoie des euh, liens à suivre pour partager certaines informations. Exactement. Donc tous les liens que vous allez voir, que ce soit sur WhatsApp, sur Telegram, etc., etc., que quelqu'un va vous envoyer, ce ne sont pas des liens de confiance. Mhm. Donc il faut les vérifier. Et tous les liens en général, ils commencent par un HTTPS. S. Normalement, avant, il n'y avait pas le S, mais le S, là, il faut vérifier qu'il est là parce que c'est pour Secure. Donc, c'est Hypertext Transfer Protocol sécurisé cette mhm. fois-ci. Donc, tant qu'il n'y a pas le S là, franchement, allez-y doucement. Oui, ça veut dire que ce n'est pas sécurisé. Ça veut dire que la personne, elle peut facilement voler vos identifiants. Alors, Ousmane, les cookies, qu'est-ce que vous nous conseillez d'accepter ou pas Alors oui, Très il faut, euh, ce sont en fait les cookies qui qui ne sont pas utiles. Donc ça, j'avais dit qu'aujourd'hui tous les navigateurs vous proposent de les désactiver parce que c'est des cookies en fait tierces, On a dit que c'est des cookies qui vont collecter des informations sur différents sites et qui sont utilisés à des fins publicitaires. Mm. Mm. Donc ça, vous n'en avez pas besoin, il faut les désactiver. Mais les autres cookies, ils sont super euh, euh, importants parce que je vous le demande, si vous pouvez faire l'expérience de désactiver tous les cookies du navigateur, vous allez voir que votre expérience euh, <laughs> d'utilisation, en tout cas du navigateur, sera totalement bâclée. Vous n'allez pas arriver à naviguer correctement. Donc ils sont importants parce qu'ils permettent vraiment de fluidifier votre euh, navigation sur le web. C'est-à-dire que chaque fois que vous demandez une page, chaque fois que vous ouvrez votre mail, vous n'aurez pas besoin de vous reconnecter. Par exemple, le navigateur il sait que vous avez ouvert une session qui est là, qui n'a pas encore expiré. Euh, donc, il va garder cette information-là en mémoire. Mais si mm. vous désactivez tous les cookies, par exemple, le moindre mail, il faut vous reconnecter et il faut que le navigateur recharge à nouveau tous les mails. Et c'est pareil pour les images, c'est pareil pour les vidéos. Donc, c'est, c'est, ça peut être un peu difficile. et, les cookies, ils ont aussi une durée de vie qui peut aller de quelques heures ou quelques minutes jusqu'à plusieurs années. Donc, des fois, si je récupère, par exemple, si je perds mon accès à Facebook pendant des années ou sur Twitter, il suffit que je, euh, que, que, je, que j'accède à nouveau pour voir que, bon, rien n'a changé quasiment. Mhm. Il y a mes anciens likes qui sont là, ils me proposent à nouveau les mêmes contenus, mais euh, à partir d'un certain moment, ces infos-là, elles sont supprimées. Donc, il faut faire beaucoup attention mhm. aux liens qu'on clique pour éviter les vols de données. À quel point c'est dangereux euh, de voler des données, les données d'une personne Alors, euh, quelqu'un qui vole votre, vos données, il a accès en fait à tout. Parce que aujourd'hui, vous aurez des informations. Euh, dès que la personne a accès à votre navigateur, il sait qui vous êtes. Mhm. Donc, il sait les sites que vous consultez tous les jours. Donc, même les sites que vous consultez en privé. Aujourd'hui, on a par exemple des options de navigateurs privés sur Google qui sont sur Chrome par exemple ou sur Firefox, les navigateurs qui en réalité ne sont pas privés. De toute façon, ils vont stocker des infos. Donc la personne aura accès à ça. Il aura accès à tous euh, vos logins de, connexion, tous vos mots de passe, tous vos identifiants. Donc il aura aussi potentiellement accès à vos données bancaires si vous utilisez des cartes de crédit pour faire des achats en ligne. Donc, il aura mm. encore une fois accès à tout ça. Il aura accès euh, de façon aussi peut-être euh, connexes aux données de vos enfants, de la famille. Donc ça lui ouvre vraiment un très large champ euh, de possibles qu'il vaut mieux éviter. Donc pour l'éviter, vraiment faites beaucoup attention aux liens que vous cliquez. Merci beaucoup Ousmane, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère qu'on aura une autre occasion de se retrouver dans cette émission. Alors, euh, on passe à la rubrique hebdo, n'est-ce pas, c'est oui, Fanta, plutôt rubrique euh, éducation numérique. Et Fanta, s'assurera avec Farid Bourema. Il est journaliste euh, web au studio Kalangu. Bonjour Farid. Bonjour Xeno et Fanta. Alors, de quoi nous allons parler dans notre rubrique d'éducation numérique d'aujourd'hui Ce matin, Xeno, je vais vous parler de CMS. CMS Conseil militaire suprême Non. CMS <laughs> est un langage connu des personnes travaillant dans le domaine du numérique. En réalité, CMS veut dire Content Management System, qui est un système de gestion de contenu. Il s'agit d'un logiciel disponible en ligne grâce auquel il est possible de créer, de gérer, de modifier facilement un site web sans avoir besoin de connaissances techniques en langage informatique. Il existe une multitude de CMS tels que WordPress, Joomla, Shopify ou encore Drupal ces systèmes de gestion de contenu sont actuellement les plus populaires du marché. Il faut préciser que chacun d'entre eux permet la gestion collaborative d'un site web et son, optimisation pour les moteurs de recherche. Donc en fait, Farid voulait dire qu'on peut créer un site sans savoir coder. Bien sûr, Fanta, mais pour cela, faisons un bond dans le passé. C'est en 1989 que le chercheur Tim Berners-Lee a inventé le World Wide Web, le, les 3W qu'on connaît, qui devait permettre aux scientifiques du monde entier de se partager des informations. Hmm. Le Britannique développe ensuite un premier navigateur sur lequel il est possible d'éditer directement des pages web. En 1993, le World Wide Web devient un logiciel libre dont les utilisateurs peuvent modifier le code gratuitement. Au cours de la décennie 90, le web poursuit sa progression, notamment pour répondre aux besoins du commerce en ligne naissant. Avant l'apparition du premier CMS, toute entreprise souhaitant créer et administrer un site Internet devrait faire appel à un développeur pour le coder en HTML. Cela demandait d'engager des budgets importants pour créer des fonctionnalités parfois très simples, comme un blog un site vitrine, une landing page, etc. La plus grosse contrainte était de devoir faire appel à un développeur pour chaque modification. La oh. création du premier CMS il y a 20 ans a permis à de nombreuses entreprises de développer leur présence digitale beaucoup plus simplement. Je me demande bien à, euh, à qui est destinée l'utilisation d'un CMS. C'est nous, un CMS Content Management System, ou système de gestion de contenu en français est l'outil indispensable pour toute personne souhaitant créer et modifier son site web sans faire appel à un développeur web. Il permet à l'utilisateur de créer des articles, des pages euh, de site web ou encore une boutique de vente en ligne, même lorsque celui-ci ne dispose pas de connaissances techniques en langage informatique. Mais alors moi, je me demande quelle est l'utilité d'un CMS pour un site web Fanta, aujourd'hui, le site web constitue un outil indispensable pour toute entreprise, aussi bien pour, asseoir sa légitimité que pour générer des leads qualifiés ou créer sa boutique en ligne, un outil dont plusieurs jeunes blogueurs s'approprient actuellement au Niger. L'apparition des CMS depuis une vingtaine d'années a rendu accessible la création des sites web à tout utilisateur, même sans connaissance technique. Les avantages euh, à utiliser ces logiciels sont nombreux. Fanta. Et ça sera bien de nous en citer quelques-unes, Farid. Voilà, quelques-unes. Euh, une personnalisation très avancée est possible à travers l'installation de plugins ou extensions en français. Il s'agit d'ajouter des fonctionnalités en fonction des besoins propres du site. Une solution économique, car la plupart du temps, il n'est pas nécessaire de faire appel à un prestataire. L'optimisation du référencement naturel SEO soit en natif, soit par l'intermédiaire de plugins conçus pour répondre aux exigences des moteurs de recherche, comme l'a expliqué tantôt Ousmane Mahmoudou avec les cookies. Un gain, de, un gain de temps pour la mise en ligne du site web, puis un entretien facile avec la possibilité de publier du contenu régulièrement en quelques clics l'intégration d'images, de contenus interactifs, de formulaires de contact ou encore de captures d'emails est simplifiée. Mhm. Le travail, collaboratif est facilité par la définition de différents rôles tels que les utilisateurs, l'administrateur, l'éditeur ou encore l'abonné. La possibilité de réaliser un site web responsive, c'est-à-dire qui s'adapte à toutes les résolutions d'écran sans connaissance techniques. Et enfin, la sécurité du site web, comme le dit euh, Ousmane, le HTTPS est renforcée car toutes les CMS sont créées et maintenues par des développeurs web professionnels toujours à l'affût des dernières failles de sécurité. <laughs> Dis donc, euh, les CMS offrent une possibilité, une panoplie, j'allais dire, euh, d'options. Bien sûr, c'est nous mais je vais devoir m'arrêter là afin que nos auditeurs puissent euh, digérer cette première partie. Merci beaucoup Farid. Merci Farid. Euh, voilà chers auditeurs, c'était là la rubrique Hebdo Éducation numérique. Cette fois-ci, place aux recettes culinaires, n'est-ce pas Fanta Oui, c'est nous, car aujourd'hui la communauté musulmane entame le mois de Ramadan, l'un des cinq piliers de l'islam. Et pour accompagner leurs jeunes dans leurs tâches culinaires, nous vous proposons aujourd'hui la recette du couscous fait à base de blé. Pour cela, Hawa Ousmane euh, s'est entretenue avec euh, Akassa Aksef, ressortissante de la région d'Agadez. Mm, kayan tuwon galgajiya ba me kuke hada ku yau ni yanzu kuskus ne zani da gurasa gayanin muna saba kuskus na alkama ne ba ba farin ciki alkama ce kadai zani alkama tsaki mi tsaki mi gari gayana ana saba ana tadawa ana zuba ruwa sai yayi kin gane ko kina gani yadda ake saba kenan sai ga mu dalla dalla alkama ya ake mata alkama sai mun mun tsinte ta mun hidda kasa mun hidda salte mu surfa sai mu kai mu niko ta in muka niko rabi sai mu yi tsaki da shi wanda za mu kuskus din mu yi tsaki da ban mu yi gari tsakin shi ne muke samu ruwa muna tadawa sai muna zuba gari muna sabawa to shi kuskus ba a iya da sadin sai a yaya kuma cikin madambaci ake tadawa dafa shi ake yi sai a yi ne eh kamar yadda ake silala kuskus haka nan ake da hashi in ya silala a hito a wanke sai a maida cikin madabaci a sa mai a sa gishiri sai a maida da shi kenan ya eh. to yanzu ne ana kai maidawa za a rika cikin a hudda a maida yanzu in muka yi sa ta farin da abi muke yi kenan duka sa uku muke cikin madambaci. to ita kuma gurasa ya ne ake hada ta sai an ji masu abu dama ta in muka dama da yis da dan gishiri da yakan wa mu dama sai ta tashi sai mu liƙa mu liƙa cikin tukunya Kinga na ga wani lokaci sabin ana shanya shi ya bushe. Shi bushe shanya ne ake hada shi. Busasshe shi in aka tada shi ta ji guda ne ake da an hiddo daga cikin madambaci sai a murji sai a shanya. sai in kana son kai aiki da shi wa'an suna ruwan zafi su wanke shi kan ki tashi aiki sai ki jika shi ki wanke in ya jika sai ki bi kamar ki ki da. yana shekaru da yawa ma na kuskusu ne amma muke shanya tunda yanzu kin san alkaman magu ya gare ta ba wanda da zamu zawa da kasa muka samu ta wallahi yanzu ne ake shimkar ta gashi bisa hidda ba eh. to shi wannan busheshen in kai shi yana kai wani lokaci kana aiki da shi wallahi yana dadewa tunda ba ya komi ya sha wuta da fa an shanya shi ya bushe kamar hatsi hatsi kin san sai shekara ma yana aji ba ya komi wallahi ko shekara yana aji kaɗo dai kaɗo ko kafe ce ka yi ruwan zafi ka wanke shi ke nan sai ka da. To shi wani kuskus na sabi kamar cikin sabga ne kake aiki da shi ko ko in ka ga dama ne kake tashi ka abun abunka ko sai in kana da sabga. Mu garin wallahi sai in ana sabga dan ya gare shi kace ka yi Tuwon kuskus yanzu in kace tuwon kuskus sai ka yi hammi a azahar ta yi ma baka ida ba. in kana sabawa. Kenan za ka na sabga sai ka yi gayyen mutane. Gayya kake yi a kama maka sai an yi wajen kwana nawa ana yi. na À présent, on passe à l'écho des régions, destination Zander pour euh, découvrir le Centre national d'accueil euh, et de protection des enfants victimes de traite. Ce centre Seino a été créé en 2019 dans cette région pour accueillir les enfants victimes de traite et de la migration irrégulière. Pour euh, le gestionnaire du centre, le greffier en chef euh, du tribunal des grandes instances de Zander, Abdullah Lawali, euh, ce centre est créé à Zander parce que hein, c'est la plaque tournante du, trafic illicite des personnes pour le Maghreb ou l'Europe. Il est au micro de Mohamed Mahaman fait, en réalité, Zender a de tout temps été donc la plaque tournante entre les pays donc du sud et le Maghreb. Ce qui fait que bon, il y a le flux de migration fond de, la ville de Zender comme euh, un passage obligatoire vers le nord. Les pays comme le Nigeria et même le Cameroun passent donc par Zender pour euh, atteindre Agadez et d'Agadez euh, le Maghreb, donc le Grand Nord, les pays comme la Libye et l'Algérie, avant de, de, continuer donc vers l'Europe. Voilà ce qui fait de Zender une ville stratégique pour la lutte contre ce, cette criminalité et trans, transnationale et, aussi euh, donc ce qui a fait le choix donc des autorités nationales de créer ce centre D'abord, Azender, c'est le premier centre au Niger, donc d'accueil et de protection des victimes, peut-être même dans la sous-région ouest-africaine. Qui sont accueillis ici et comment vous les accueillez C'est un peu différent des centres de transit, donc des migrants refoulés par l'Algérie ou par la Libye. C'est les victimes de traite pour euh, établir si tel migrant ou tel enfant ou telle femme est victime de traite, je crois qu'il faut à la base donc l'infraction même de, du trafic illicite des migrants ou une infraction de traite de personnes. Mmh. Donc la victime nous est référée soit par la police, par la justice, ou même par la direction de la protection de la femme et de la promotion de l'enfant, ou tout autre organisme donc habilité vraiment à faire le référencement. C'est ce genre de victimes, de personnes que nous accueillons ici. Vous avez parlé de traite euh, des enfants, vous avez parlé des victimes de la migration irrégulière. Comment ce phénomène se présente La plupart de ces enfants et de, bon, les, des, victimes, majorité, hein, c'est des femmes, c'est des jeunes filles, c'est des enfants surtout des enfants qui sont vraiment exploités dans la mendicité. Mais pour la grande prostitution, le proxénétisme même en général au niveau de l'Europe et des pays du Maghreb, c'est plutôt des étrangers tels que des jeunes filles du Nigeria passent par euh, Zander avant de continuer vers le Grand Nord. Mais en ce qui concerne les Nigériens, des enfants souvent qui sont recrutés pour la mendicité euh, en Algérie ou dans les travaux domestiques, même à l'interne, parce que nous avons eu des cas de jeunes filles qui ont été recrutées dans la région donc de, de Matamai, de Kanché, donc Magaria, pour être placées dans des familles à Tawa ou à Gadez. Vraiment une exploitation très bien organisée entre les parents eux-mêmes et les recruteurs ici au niveau des Anders et les placeurs au niveau de, de l'autre ville. En, termes de statistiques, pour voir un peu l'ampleur de, de, de, cette situation, à combien on peut estimer les jeunes que vous avez depuis donc l'ouverture de ce centre, le 18 juillet donc 2019, l'arrivée de nos premières victimes au nombre de 7 en provenance du Nigeria depuis le 11 décembre 2019, à ce jour, nous avons accueilli un peu moins de 400 victimes au niveau du centre, toutes nationalités confondues. Nous avons en majorité des Nigériens de la région de Zenda et quelques ressortissants de Tawa et des étrangers tels que des Nigériens et quelques Camerounais. Est-ce que ces personnes, une fois euh, accueillies ici, sont prises en charge du point de vue émotionnel parce que deux des fois, elles viennent avec euh, des traumatismes Bien sûr que oui, parce que le, centre donc, a comme mission la prise en charge psychologique, comme je le disais tantôt. Euh, comment se fait le retour de ces victimes dans leur foyer Le retour se fait donc en collaboration avec nos partenaires. Parce que jusqu'ici, c'est un centre de l'État, mais euh, l'État ne, ne finance pas totalement les activités. Donc, on est euh, avec des partenaires qui soutiennent le retour en famille donc, de ces victimes-là et leur suivi. L'OIM nous aide à les retourner si c'est des Nigériens au niveau donc de leur famille d'origine et pouvoir donc leur garantir quelques activités génératrices de revenus pour qu'ils ne replongent pas dans la même situation. Et pour les étrangers, c'est toujours l'OIM qui se charge du rapatriement donc de ces victimes-là au niveau de leur pays d'origine. Très informatif ce reportage de Mohamed de Maman, euh, qui est d'ailleurs en ligne avec nous. Mohamed, bonjour. Bonjour. Ça va, vous allez bien Oui, je vais très bien. Bonjour Mohamed. Hey eh, Panta, comment tu vas <laughs> Ça va. Je disais, est-ce que vous avez eu l'occasion d'être en contact direct avec ces enfants Effectivement, et c'est vraiment avec pensement au cœur que j'ai fait ce contact. Euh, parce que euh, j'étais à Zander dans le cadre euh, de la migration et j'ai entendu, ou bien j'ai eu vent de ce centre-là. Je me suis dit, bon, ce serait intéressant de faire un tour et de voir comment ce centre fonctionne. Alors, dès qu'on rentre dans ce centre, c'est ça qui nous frappe, quoi, quand on voit des petits-enfants des enfants à âge euh, d'aller à l'école qui se retrouvent euh, ici euh, couchés en train d'attendre d'être rapatriés à la maison au village. Hmm. ça, fait mal au cœur pour un parent. et puis voilà, c'est des enfants déboussolés, hmm. deux fois perdus, qui n'attendent que voilà, de rentrer à la maison pour voir les parents. Ok Mohamed, alors dites-nous comment ces jeunes se sentent-ils dans ce centre eh c'est, je peux dire que ces jeunes sont, disons, ils sont un peu bien parce que ils sentent qu'ils sont en, sécurité. Euh, ils, sentent que, euh, en tout cas, il y a quelqu'un qui, euh, voilà. Qui essaie quand même de leur venir en aide. De leur venir en aide, pense à leur sécurité. Et mm, on sent que, bon, voilà, ils ne sont pas très inquiets. Hmm. Et euh, ça commence à aller après tout ce qu'ils ont vécu comme, comme traumatisme. En tout cas, l'intervention de votre euh, interview était vraiment très informative. Effectivement. on vous dit merci, Mohamed. On espère vous retrouver à bientôt. Inch'Allah. merci. merci. beaucoup. Ok. Fanta, euh, un esprit sain dans un corps sain, a ton coutume de dire, n'est-ce pas nous, tu veux me dire qu'on est arrivé à la page sport. Exactement. <laughs> Et dans ce studio, nous sommes en compagnie de Guruza Asumi Karimou, notre chroniqueur sportif. Oui. Guruza, bonjour. Bonjour, ça Fanta. Va, C'est nous, ça va Ça va bien, Dieu ah, merci. Alors, aujourd'hui, nous allons ouvrir la page sportive avec l'échec de MENA U23 face au Soudan pour le compte des éliminatoires de la Cannes de cette catégorie. Fanta, les poulains de l'entraîneur Zakariaou Ibrahim ont trébuché hier au stade général Séné-Countier de Niamey devant les Soudanais. Match nul, zéro but partout au temps réglementaire. Les supporters qui ont fait le déplacement d'ailleurs du stade général Séné-Countier n'ont pas apprécié ce résultat. Salamatou Kadri a tendu son micro à quelques-uns. Écoutons-le. Quelqu'un qui vient deux jours avant, tu le titularises, il ne fait rien, tu ne veux pas le changer. Un joueur là, s'il il est là, il peut te faire l'essentiel, mais le même si c'est cinq minutes. Nous ne sommes pas des techniciens, mais on suit les maths de A à Z. Tu as une équipe avec qui tu as travaillé pendant 14 jours. Donne la chance à cette équipe. Les enfants là, on est fiers d'eux. Vraiment, que Dieu les accompagne et Dieu leur donne la chance

Nous avons classement ya mota yi deuxième mi-temps nous tun Le du championnat est bon bon za ma match amical, match international nous na da ke le, résultat n'était pas ce qu'on espérait ils ont bien joué quand même faut le reconnaître il y a eu beaucoup d'occasions ratées et je pense qu'avec un peu plus d'efforts, euh, ils feront de leur mieux pour nous ramener la victoire du Soudan. Ok, Gourouza, quel sera le sort euh, du MENA U23 pour le match retour euh, dans une semaine au Soudan Oui, euh, rien n'est joué pour le moment. Tout peut arriver. Le Niger peut se qualifier comme il l'a fait en Côte d'Ivoire, vous vous rappelez, mhm. un but à zéro. Mais c'est pas facile avec les Soudanais qui, qui le Soudan qui va évoluer surtout devant son public et sur ses installations. Eh bien, on leur souhaite bonne chance, hein, Merci beaucoup pour euh, cette intervention. Sinon, on passe au portrait du jour. Effectivement, Fanta, euh, ce matin, nous irons à la rencontre de la jeune Sharifatou Aliou Abdou, hein, qui a fait euh, de la technologie hein, son domaine de prédilection. Oui, à 21 ans déjà, elle a développé une application qu'elle a appelée Gestion de stock et facturation. Abdelmoumouni Ali Niali nous propose son reportage. Elle s'appelle Sharifatou Abdou Aliou. De nature curieuse, elle est attirée depuis sa petite enfance par les écrans des téléphones portables en passant par ceux des ordinateurs. À son initiation à la manipulation de ces appareils de la nouvelle technologie, cette initiation s'est faite sans grande difficulté, nous raconte-t-elle. Depuis ma tendre enfance, j'étais toujours passionnée de la technologie. Tout ce qui est téléphone, tablette, ordinateur, j'étais trop curieuse. Et en même temps, avec la maman qui était informaticienne à ce temps-là, donc je partais à son bureau pour voir son travail. Donc, arrivé à l'université, quand j'ai eu mon bac, euh, j'ai préféré choisir la bourse de l'informatique. À l'obtention de son baccalauréat scientifique en série C en 2017, elle opte pour une bourse de maintenance informatique en Algérie. Un choix respecté par sa famille. Le jour où j'ai choisi d'aller étudier l'informatique, personnellement, la famille était encourageante. Surtout qu'ils voyaient ma passion et savaient que quand je décide de faire une chose, vraiment, je me mets à fond. Donc tout le monde m'encourageait. À 21 ans, aujourd'hui, tout développe une application gestion des stocks et facturation. Une application qui gère les stocks, fait des bons de commande et des factures automatique. Et j'ai eu un ami qui était là qui m'avait dit pourquoi tu ne deviens pas une application qui va automatiser mes reçus. Je lui ai dit bon au lieu d'automatiser uniquement tes reçus, je peux aussi te créer une application qui peut gérer ton stock aussi. L'application, je l'ai appelée gestion de stock et facturation puisque elle gère principalement le stock puis elle te permet automatiquement avec euh, une fiche qui est déjà là de faire une facture pour le client. Mais tu peux aussi faire des bons de commande, des bons de livraison. Labri, sa sœur, est fière d'elle, même si au début, elle n'y croyait pas en elle. Ma sœur a, depuis sa tendre enfance, un intérêt très particulier concernant la technologie. Mais moi, je me disais que toujours si elle continuait dans ce chemin, surtout pour une femme, je me disais que elle n'aurait pas un grand avenir. Mais aujourd'hui, quand je la vois, je l'admire beaucoup, car oui, elle a réalisé son rêve. Cette année, Sarifa est en pleine préparation de son bachelor et a comme projet à court terme la création d'une entreprise pour pérenniser son savoir-faire avec d'autres jeunes filles amoureuses de la technologie. Voilà, chers auditeurs, c'était le portrait du jour avec Abdul Moumouni Ali Niali que nous allons retrouver tout à l'heure hein, dans la rubrique culture linguistique. Mais avant, c'est nous, c'est aux femmes du studio Kalangou que nous allons donner la parole avec le loti du jour. Oui, Fanta, aujourd'hui, dans cette rubrique, euh, elle pointe du doigt les violences conjugales euh, que subissent les femmes, euh, tant en milieu rural qu'urbain. Comment porter plainte et surtout où le faire Écoutons Rekia Arimi et Rafika Attaher. Kiji. Matsukiji, Kiji. Matsukiji, Kiji. Hey! Kiji. gilasan da kika sa heyi kin ga yadda idanunki suka kumbura kuma dubi duk wannan burdin a jikinki Elwata <laughs> ina zan bullo miki <laughs> daina kuka ki mini magana faduwa kika yi ko ku hari aka kai gare ki kai co na so a ce haka ne mijina ya mini shegen dauka dumi duka fa kika ce tabɗin jam ke kuma mi kika yi mishi har ya miki wannan shegen dukan kin faɗa wa wani yaya zan yi uban ɗiyana ne fa kuma in na faɗi ma mutane kamar na tona ma kaina asiri me nike shirin ji baki san ba in namiji ya ɗora wa matarsa hannu ya kamata a kai ƙaransa in ba haka ba kullum ya tashi sai ya da keki kamar jaka. Uhm, ‘Yar uwata ni da kaina abu ya ishe ni, uhm, amma yaya zan yi ba ni da wani zaɓi. Ƙwarai kuwa kina da zaɓi, ke bari in haɗa miki zaɓoɓi ma. Me zan yi, ina ya kamata in je? Haba, yanzu kika fara magana abu na farko shine ki yi takardar shaidar likita wadda ake kira certificate medical a turance takardar shaidar likita ina kuma yaya ake yin shi saurara daga mijinki ya bige ki ruga maza ki je likita ganin likita da zai dubi lafiyar jikinki ya yi miki takardar shaidar likita ki je gun lauya da ake kira procurer ki yi karar shi koko don samun abun da gaugawa ki je peji gun 'yan sandar shari'a ki ɗauki takardar ƙara Kin san sarai ban da hali, na sha abin kuma sai da kuɗi. Kuɗin mi, baki biyan komi. Akwai kuma hukumar ƙasa da ƙasa don taimakawa shari'a da shari'a, wadda ake kira ANAJ da ke taimakawa mata. Kuma in ma ba a saurare ki ba a ƙungiyar addinin Islama, gwada kuma da ƙungiyar da ke kula da kare hakkin bil'adam ko kuma ƙungiyoyi daban-daban da ke kare hakkin mata. kamar su SOS Fam A fam Victim de Violence. Mijinki zai iya yin kurkukun wata biyu, hiye da hakan ke in gaya miki in bugon da ya yi miki yayi ya yi tsanani ko ma kuma a yi mishi tara. Ce Allah. Allah makwa. In ya nemi yahiya ana iya sassauƙa mishi da sakin talala. Abin mai mahimmanci ma a nan shi ne. yana iya kai ku ga rabuwa. Ana barin al'amarin nan ne a hannun lauyan shi ya cancanta da sanin ɗaukan matakai. Ashe akwai ma inda zana a shaurare ne. har ma a kare mini inci na nike nan ina zure wannan kuncin kin gani ko amma hattara wai sai in an shaida cewa laihin ba daga gare ki bane har ya kai shi ga bango yana iya shiga cikin matakin yanayin masu tayar da hankali kenan ki yi hankali matakin yanayi masu tarar da hankali mi kike nihi kamun rabi da rabi ne za a yi mishi ah na gane yar uwa wallahi na gode gobe goben nan zan je in fara al'amarin nan don in kare kaina madalla Allah ya taimaka amin a sani mace ba turmin daka bace kwarai kuwa Chers auditeurs, c'était le loti offert par le desk femme du studio Kalangu. Sinon, on prend une petite pause et on se retrouve juste après. Sans souci. Chers auditeurs, dans ce studio, nous sommes aussi en compagnie de Moumouni Ali Niali. Il est journaliste au studio Kalangou et traducteur en langue fulfulde. Aujourd'hui, avec lui, hein, nous allons découvrir ce que signifie le mot émancipation. Vous l'aurez compris, chers auditeurs, il s'agit de la rubrique culture linguistique. Niali, bonjour. Bonjour Fanta, bonjour euh, Seino. Bienvenue dans le Niger sur Kalangu. Merci. Alors, que signifie le mot émancipation Fanta, émancipation est un mot d'abord féminin singulier, donc on dira une émancipation. Et selon le dictionnaire français au sens premier, le sens premier est un sens de droit, c'est une décision ou un effet légal qui consiste à donner à un mineur la capacité civile de jouissance au même titre qu'un majeur. C'est pourquoi alors Fanta et Seno, on parlera de droit de mineurs pour voter dans le code électoral nigérien. Et selon ce document, hmm. pendant les élections, une fille ou un garçon, du fait qu'elle ou soit elle, il soit marié, exerce son droit civique de vote. Au sens second du mot, l'émancipation veut dire s'affranchir d'une entrave. Mais euh, nous avons aussi entendu parler du mouvement pour l'émancipation de la femme. Qu'est-ce que c'est que l'émancipation de la femme, Niali Fanta, c'est une très bonne question. L'émancipation de la femme, c'est la libération de celle-ci de tout pouvoir ou de toute influence qu'exerce autrui sur elle. Nous allons donner deux synonymes, si vous me le permettez, du mot émancipation qui veut dire affranchissement et libération. Deux contraires du mot contrainte et subordination. Merci beaucoup Niali, mais vous avez aussi prévu d'expliquer ces mots très brièvement, j'espère, en langue fulfulde. Bien sûr, euh, Fanta, en fulfulde, Kongol émancipation veut dire tout simplement itare Kongol goldu ni kan woni ko hokka suka debbo gorko dewlaɗo na dewluɗo wawa natude de do no gade e der leydi Kongol goldu ni mana dida bol kan woni soptinde hore mum na bien tettinde hore mun e mardi goddo. Merci Nianli. Merci infiniment. Alors, chers auditeurs, euh, si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiteriez avoir l'explication en anglais, en Hausa, en Zarma, en Tamashek ou en Fulfulté, ou en Fulfulde, n'hésitez pas hein, à nous laisser euh, un vocal ou un message écrit au 82 89 89 64. Je dis bien 82 89 89 64. Fanta, c'est le moment pour nous hein, d'écouter nos auditeurs qui nous ont envoyé des messages vocaux. Oui, c'est nous, car dans cette émission, nous leur donnons aussi la possibilité de donner leur point de vue sur nos productions. sunana um, bashir wanda ake ce ma bashir beka a nan garin boshir nake gaskiya muna jin daɗin shirye-shiryen studio kalangu a gidan rediyo shukura musamman ma ga labarunsu harkar faransai kuma harkar hausa da sauran yare ma da ake yin su na daban-daban Gaskiya muna jin daɗin shirye-shiryen. Shirye-shirye na Studio Kalangu ya ƙayatar, yana biyan mu kamar yadda abun ma tsammani. Eh kuma muna son karin bayani game da shirye-shirye da ake yi, musamman ma shirin da muke so a ci gaba da yin shi, a kayatar da shi kamar game da auren gauga da ake a 'yan mata, game da kuma wayar da kai bisa mata su ringa zuwa asibiti awo har ma su samu haihuwa kan lokacin Su su ne muke fatan Allah sa wannan ra'ayi namu ko kuma wani shawara tamu da muka riga muka bayar a ƙara bunƙasar da ita. Gaskiya mun gode, mun gode Allah sa kara alheri. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu studio kalangu barka ku da aiki muna ma kowa da kowa fatan alkhairi dangane da irin shirye-shiryen da kuke gabatarwa ta ɓangare da dama musamman ɓangaren. waye kan al'umma da ci gaban ƙasa gaba ɗaya da kuma irin shirye-shiryen da kuke gabatarwa masu amfani ga dukkanin al'umma muna jin daɗi da irin shirye-shiryen da kuke gabatarwa daga ala abdulrazak wanda aka yi da suna kura a garin bosheri mun gode ibrahim habu acteur de la société civile ici à tessawa en tout cas je suis de près le programme de kalango au fait kalango c'est un atout parce que donne des nouvelles autant opportun et c'est vraiment une radio qui rime avec avec euh, la société, surtout notre société qui est une société analphabète. Donc, elle donne des informations en Hausa, en Pulpulde, dans nos langues. Donc, ça, c'est extraordinaire. Hein. Oui, je suis très satisfait avec Kalangu parce qu'il sensibilise la population sur les droits et devoirs d'un citoyen. Je demande à euh, Kalangou d'élargir leur programme. Donc, il faut augmenter les radios parce qu'ils donnent des informations en langue Hausa, en langue Zarma. Aimayo mai kifi za ku na Mariama da Mariama kan gogaya. Studio Kalangu wani programai agokanir sai gumo wana wana sigiri ta gyowo kan i wani faji kare kanyan i gadan li sigiri iri iri yambon amaciya cewo fondara amaciya zan kai tarabiyai wala zan kai halla sa fondara amaciya lakal kanado hare amaciya cewo fondara haya me ame irgo gi gana ce dake irgo hanga dan ise woki ga bai mutonton dai mutonton dai bon feraga labarai noyan wallahi tubari kalla labarai no ranci ne kulga ni ga mai ga labarai no guna din si ma hausa ki ne ni ga ma zarma ki na din si ma zarma ki na ni ga ma fulan ki ne din si ma fulan ne haifo ki ne kul kan go ni jar kulu igo te wai din wo jini kwayyan bambata no program studio kalanguse Chers auditeurs, euh, Studio Kalangu, c'est aussi et euh, surtout la grande édition du soir, les cinq journaux en langue, et euh, notre forum quotidien. Et justement, nous sommes avec Rafika, hein, notre collègue chargé de présenter le journal en français Bonjour Afika. Bonjour Seno. Quels sont les grands titres de ce soir Alors pour les grands points de ce soir, euh, après la libération de l'otage américain Jeffrey est lundi, la population de Abalak de la région de Tawa a tenu à exprimer sa gratitude envers les autorités nigériennes. Vous aurez plus de détails euh, justement ce soir. On parlera ensuite du MENA U23 du Niger qui a fait un match nul, zéro but partout hier à Niamey face à son homologue soudanais pour le compte du match aller des éliminateurs de la Coupe d'Afrique des Nations U23. Vous écouterez les appréciations du sélectionneur du Niger à 17h. Enfin, la partie magazine portera sur la prolifération de la chenille légionnaire d'automne qui a envahi presque tous les pays du continent de le Niger. Un spécialiste au laboratoire d'entomologie de dit nous en donnera plus de précisions. Merci beaucoup, Rafika. <laughs> Merci infiniment. Chers auditeurs, nous sommes à la fin de cette édition de votre émission Le Niger sur Kalangou. Vous étiez en compagnie de Fanta Chamsou Ali Munkela Ouseni alias Senou. Le plaisir était grand de partager ces moments avec vous. Le rendez-vous est pris demain pour un nouveau numéro. On vous dit ciao ciao. Bye bye.